en euh, guinée de vos spectacles. Voilà, je salue Wally, il était gentil. Bientôt, on va faire une petite ensemble. Je remercie de vos futurs. Voilà, ça. ensemble. Wally, c'est lui Wally Chef. Wally Chef, il fallait chanter, ça va être bon. Ouais. La passion de ouais. La passion de Moi aussi, écoutez-moi, hein. c'est lui Wally Chef. Voilà. C'était, attends, attends, attends. Wally Chef, Wally Chef, c'est lui personne n'a pas vu de mots. I was sitting when she, she went sit there, de mots comme ça. C'est là-bas. Voilà, faut parler. Il faut parler. Ah ouais, alors, je suis très content d'avoir reçu mon frère, grand-père et sa famille. Alors, Eid Mubarak à tout le monde, à tous les musulmans. Euh, j'espère que la fête était belle. Et on se prépare pour la Guinée bientôt avec Grand-père Et il prépare aussi son album international et je vais essayer de faire ma touche aussi, de participer et ça me fera plaisir. Et on va se retrouver à Abidjan, Inch'Allah, pour le festival et, Grand-Père sera là-bas. Euh, je pense que euh, sa femme habite là-bas. N'est-ce pas <laughs> ah. Hein? Ah, siiw du jàmmi boom maa ci xam dara lépp luy